j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette émission Jeune du Studio Kalangu que vous écoutez ce dimanche à travers nos 52 radios partenaires partout au Niger. Et pour la présentation de ce soir, vous avez Samira Wafi. Aujourd'hui, tous à la Fada part de l'apport des structures féminines dans l'accompagnement des femmes en détresse, difficultés et perspectives de ces associations. Sachons d'abord que l'association est une convention entre deux ou plusieurs personnes par laquelle celles-ci mettent en commun leurs connaissances ou leurs activités. Le but de ce contrat est de ne pas résider dans le partage de bénéfices entre les parties. La liberté d'association est un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Chaque type d'association dépend de son objet, celui-ci étant établi de façon totalement libre sous réserve de ne pas porter atteinte à l'ordre public et de ne pas porter atteinte aussi aux lois et aux bonnes mœurs. Tout comme euh, dans les autres pays du monde, le Niger aussi compte de nombreuses associations, surtout jeunes euh, parmi lesquelles euh, il y a plusieurs qui sont mises en œuvre par des jeunes filles. Alors quelles sont les difficultés que rencontrent ces ONG ces associations féminines arrivent-elles à couvrir tout le territoire nigérien Est-ce qu'elles rencontrent des risques dans leur métier pour discuter de tout cela dans notre FADA, aujourd'hui nous avons euh, comme invité des jeunes femmes leaders dans la vie associative évidemment, que je vais laisser se présenter. Je commence euh, par ma droite. merci beaucoup de nous avoir donné cette occasion. Moi c'est Ali Hamay Rahila, je suis la secrétaire générale de la cellule nigérienne des jeunes filles leaders. Et à côté Donc moi c'est Rekia Boubé, je suis la vice-présidente de l'association Ardeyeso ici à Niamey au Niger. Bonjour, moi c'est Abdoulaye Jan Kadiatou. Je suis euh, la présidente de l'Association des jeunes filles pour la santé de la reproduction, AGFSR. Bonjour à tous, euh, je suis Indo Mohamed Sani. Je suis membre du cadre consultatif nigérien pour les enfants et les jeunes. C'est parti pour 35 minutes d'échange, de témoignages, de musique et on conclura avec la chronique euh, de M. Olivier comme d'habitude. Je commence avec toi, Indo. Euh, quelles sont les, différentes activités que vous menez au sein de votre association au profit des femmes euh, Au sein de notre association, nous, nous faisons des activités surtout pour euh, venir en aide aux enfants, aux jeunes filles et aux jeunes garçons. Comment ça se passe Oui, les activités que nous, que nous faisons, nous faisons des séances de sensibilisation. On apprend aux enfants à savoir comment bien se laver les mains, comment bien se comporter à la maison, comment se comporter avec les parents, euh, la morale en général. Nous faisons aussi euh, des collectes de fonds pour venir en aide aux enfants qui sont euh, dans des situations difficiles, en cas de situation d'urgence, comme les inondations, les sécurités et également la pandémie, par exemple. Nous faisons des distributions de kits pour les enfants et aussi nous faisons des distributions de vivres également. pour les familles démunies. Voilà. Et vous, Kadiatou, goyo kan irgo tera dai irda wai borai da wanje zai irda ino gwacer goye kan irgte dai inga ti irmi bon ai feri iwan alhakai bon dir sambu unkuna izu wanje zu kulu haya kan irga ba inga ti amma faham ga bai ifo ti inga alhako ifo no a da ifo no man da amte manti na alhakai da alhakai kan labo ga ha inga na kan bor ga ha bon feri wodi bandir ti se formation ya sur le leadership féminin sur euh, le plaidoyer pour pouvoir porter elles-mêmes leur combat et aussi l'assistance ou l'orientation di gwanda masala ya hunkuna sangiri hin sambu Uh, zanka wanda zuwa walbor kan godi masalayan inga bafunara igoga alhakai tamu sanga borfo na karwal borfo na kanti irga hinga gaga sinai am dugbai manga na him koy ginga heno tonanti ifo difo na him te im duga En résumé, voilà un peu ce que nous faisons. Au-delà de la sensibilisation, la formation, nous faisons aussi l'accompagnement, mais aussi le plaidoyer pour les jeunes femmes et les jeunes filles. surtout wanda ya zai da wai borai sai to arda ya sogoyo ingati kan irgite eh, iru constitution group yanno irin karim gore irim sala irim hato boro ifo no ni wadi kan ti masala ni karce ara parce que yadin no irgite gaba iri sin gite kulgisi yone son iri group rano irgudu quartier différent ya irin boro ha to ni wani karcha ra maturo ndi ifo no ndi kan vraiment ni di kan situation wodi irgin gite haifo bor fo gin gine se ko a ah, ingo la dernier fois ingo wani voisin ko ko docteur kwara sin bani ina sai sin gano kuri parce que banko ra sin kuri haifo de fo ya so irin karim gore irin fa karim ne to son irgite activité de don de sang irg lancer irin ni ha wai arda yesora tous ceux qui sont membres bore kan gihin parce que man tu dole no mais il faut que bore me faham kan la population a besoin de ça. Il me constitue un groupe, il me connaît des CNTS, il me netto, il me donne de son irkag. C'est vraiment de manière bénévole, mais il faut que nous irkag nous d'aino parce que il gba imir wana nyanga idir baba imi gak sinedi sindabani. Donc il il ne warinte, il ne batte parce que le 5 mars dernier il quoi activité de, de don de sang où on était une quarantaine de jeunes quand ka coule de manière bénévole. Afoya il groupe orani go afoya mo affiche hine nidi Facebook bon wal WhatsApp bon ichegine hawa inge go ka inge mbo igba imno don don do sa donc activité wadin china go kan irgite irgini ka mo irim goren fa kare kul boro ne ka ange wallahi inge won karchara violence gono boro gingu wanda kar ag izai maltraité hay fode fa ir ne to ir wasin hina ka ir koy gine alborase nanga kar ir sin hina hay ka irgini gite gite sensibilisation sensibilisation wo moment ingi hinne se parce que be kamat ingin situation wodira so ir won hakir gice activisme social kir gitingo mo réseaux sociaux boner gati ingo mo on essaie de toucher vraiment population au Congo étranger comme Niger Niger hinne Nigérien yanno mati Nigérien yanno mais en tout cas jeune et cool ka ir gin toucher ir activisme social wote violence faite aux femmes ou bien les droits des enfants pour que boray mo bay nim bay matka haikan gitini droit merci beaucoup rekia ayge kando ga hila nimu akan do haga ifo difo na ngite kan kan gaksine we boray kango difficulté be ga se to irwo ir association wo ir sibil wo dai giti wanda yayi da wai borai son association wo ir gonda profil bobo ir gonda docteur ya ir gonda communicatrice ya ir gonda ingénieur ya déjà à l'interne bumbo ir gunno gidi aiwo ai gonda spécialisation wani ai gini formation te an écriture de CV matno bor gini gin CV te da maze matno gini ga rapport hantum da kama hankan din kwai ga gwai keki da short computer demande te kwai ni iriye gwarno gune gidi irwo irgonda master ya irwo irgonda license ya dinga zanka wande zai da nyangai kan yango matsalara il faut no irgi hingte ise irgi formation a leadership leadership ko ban irgi ta ise communication din ka jama gin matuno ni himata ni min bon comporter san fo no ni himata gate pour que borai din im yardan din ko irgi irgi ta ise formation en élaboration de projet et mise en place ya ga if projet fo gano nin kan ni gonda masala nin no ga bai hankan ni ba ya dinga nim gunni bon sai di solution fono ni ginga mettre en place di ir appuyo ir mu dugare realiser aussi irgi yeg te wai borai te formation a naje air son irgi bai kan indun ya tonan kan wai burkul hima ta minga wani keki ya dinga irgi te se formation a je air son moture sama ir sintin de la santé et eh, de la reproduction mais wadin wa hygiène menstruel bonno irgi te parce que irdi kan ago zan ka wanda zai dorandi e kwalaira ya dinga mat fonir gini gibon ai ferin da an de menstruation Il kansa ya natural ko manti que kwai ne nigi nigini muradai tabbatandi ba dai dingo dingo wanda dingo um, period de mastri voilà ya din sabu <laughs> ai kando manga da agan eh, au profit des femmes eh, et des jeunes filles, surtout dans la santé et eh, de la reproduction. Surtout par rapport, euh, ce que je veux savoir, c'est si vous arrivez à atteindre tout le territoire nigérien avec euh, cette situation d'insécurité où les femmes sont plus dans le besoin dans ces zones-là que euh, ici en ville euh, Je dirais que nous, nous sommes d'abord une association nationale et dans toutes nos interventions, ça dépend des activités et des projets que nous faisons avec une cible bien déterminée. Mais nous arrivons à couvrir, je peux dire, l'ensemble du Niger. Ba sino tant que bore hingo koy iro ir koy tant que opportunité gon wal occasion gon kan irga hingo koy fakare wo bore mu fakare zan konde zabi masala igono problem mai gonu dole no mu koy parce que on s'est engagé à lutter pour l'épanouissement de la femme nigérienne, des jeunes filles, partout où elles se trouvent. Donc, l'insécurité est vrai, c'est un obstacle que nous apprenons à surmonter en fonction de ce que nous devons faire. On apprend à s'adapter au fait par rapport à ce que nous voulons faire dans ces zones-là. Euh, ici, puisqu'il y a l'insécurité, il y a telle chose qu'on ne peut pas faire, mais il y a telle chose qu'on peut faire. Donc on essaye de s'adapter et pouvoir aller. Parce que ces femmes-là aussi ont besoin de nous. On ne peut pas seulement être là où tout va bien.

sanga zone d'insécurité tawayan tilberiyan difayan nan kulkan insécurité go irwo nodin irgo ke cirmu koy zama irga bai kan nodin no bore kan gaba irwan ga sinago aran faham donc c'est vraiment là-bas qu'on qu cherche même qu'on compare pour euh, justement venir en aide à ces enfants là qui sont en situation difficile et il quand on a intervenu dans toutes les régions du Niger mm -hmm on n'a pas pu le faire. Mais quand même, dans les zones d'insécurité, nous intervenons beaucoup là-bas. Voilà. Merci beaucoup. Euh, Rekia, Déjà, vous avez ouvert votre association au temps où on en a vraiment beaucoup besoin, mhm. vu les sécurités aussi, beaucoup de choses dont les femmes et les jeunes filles sont confrontées. Est-ce que vous arrivez, vous aussi, à couvrir euh, la plupart, une grande partie ou bien la totalité du territoire du pays Malheureusement, non. Pour le moment, il y a activité d'activité. Parce que, arde yeso association ou majorité simba Niger igo étranger parce que étudiant yanno ingé bumbo quand vraiment on s'est rencontré nos une association créée mais ici Niamey ici Niger bumbo negni igo étranger donc il signe du bureau dans les régions parce que il one activité dans matière de bureau nous parce que hal nig projet faut lancer il faut que nous études to so il one wa il go afo yango goy ir sin gudu lokaci gisan bu 2 semaines 3 semaines ir mu koy region ra ir mu etude dog yeg ka ir bag projet lan se dirna pro dirna lan se mu may no giye koy no din koy ni giye ga accompagner ge projet à suivre donc wadin se no pour le moment on est juste axé sur Niamey Niamey bono ir gogir one activité cool bon eh, ir gogi culte mais inshallah on est en train de réfléchir à une perspective où ir gog association va agrandir son dina agrandir on est en train de toucher membre yan kango région kango sous région ra donc ingeno ir ba ir responsabiliser imité ada yo mais mu zai imte president dine ta wono imne bora kan go ta mu zai ada son president wono me ta wasi region kul inshallah irgo ceci ir me placer boriya comme ça dirte demande irte appel hayo dir du fond au dire du fond oh, que irgin activité te inge no ga gérer sur place ça va être vraiment beaucoup plus simple et eux aussi ça va encourager le bénévolat parce que irwon le fait de manière bénévole man ta halir go ga term du hay fosenu kala hay ka irwodan alhamdulillah oh parce qu'on est en train de faire vraiment des choses qui sont no man tali go du il faut que du jeune ya kam ikaguno inge bumbo gidan inge wana di gonda di sin da mo inge wani lokaci hinna wasirsi parce que di ka hun kuna nika nika na men d'oeuvre nika ni aider irte haifo vraiment tu as contribué à ce que activité am réussir donc wadin wasirsi donc pour le moment wadi no irgote mais petit à petit inchallah on va essayer de mettre des bureaux dans la sous-région inge no ga activité menée de temps en temps inchallah quand le, le, le besoin se fera ressentir ik sabure kiane ne ga ikin fo um filon mr don dice pour sa rubrique du jour Sylvette Leblanc, Dondi la machine te souhaite encore la bienvenue sur cette émission. Ça a été hier. C'était Les jeunes ont kiffé. Voilà. Euh, je considère déjà que les jeunes, ils ont compris quand même euh, que Sylvette aussi connaît la musique. Alors aujourd'hui, on va parler de cette musique. On va parler de la musique euh, sylvétienne. Oh là là Tu vas pas me rajeunir. J'ai commencé <laughs> très très jeune. Très jeune. J'ai fait ma première scène, j'avais 9 ans. 9 ans. Voilà. Et j'étais impressionnée parce que j'avais un grand orchestre de 60 musiciens devant moi. Voilà. J'avais seulement trois chansons, mais c'était impressionnant. Ok, Alors, ce qu'on peut avoir un peu sous cette émission, c'était quoi déjà Ah, à l'époque, je chantais beaucoup des chansons de Nana Mouskouri. Nana parce qu'on m'a toujours dit que j'avais un peu sa voix. Ok. C'était quoi déjà Comme un soleil, comme une éclaircie, ah, de 9 ans aujourd'hui, de A à Z, est-ce qu'on peut déjà avoir une idée du nombre d'albums, de morceaux, de vidéos Je suis en préparation de mon 11e album. 11 albums, pas J'ai commencé mon premier contrat, j'avais 17 ans. On va parler un peu de tes collaborations avec les artistes euh, nigériens et les artistes euh, africains. Quels sont les artistes que l'artiste a produits ah, J'ai commencé en fait par le Niger. Alors parlons de l'album. C'est l'album que euh, la productrice euh, Sylvette euh, a produit ou c'était c'est quoi les relations Sylvette Métaphore En fait, moi je cherchais à l'origine des musiciens pour faire un album et ils sont présentés à moi. Je leur ai dit vous jouez de quoi mhm. Et ils m'ont répondu on joue de rien, mais on est des as avec la voix. Écoute-nous et tu vas voir. Et moi, je leur ai dit, je vais faire quoi avec vous, moi, à mon âge Voilà, moi, je, ils m'ont dit, mais on s'en fout de ton âge, t'as une voix magnifique, on veut bosser avec oui, toi. Et l'amour euh, de la musique n'a pas d'âge. Hein. Non, l'amour de la musique n'a pas d'âge. Bien sûr. Et euh, donc voilà, on est parti là-dessus. Ils sont venus me faire écouter un, petit bout de musique euh, mhm. à l'hôtel. Et puis on dit, on a écrit une chanson pour toi qui s'appelle Ketché, qui est sur les droits des femmes. Et voilà, on voudrait l'enregistrer. Donc on est parti juste sur un titre au départ. Et en fait, du titre, euh, on est arrivé à un album, on est arrivé à une série de concerts, on est arrivé à une résidence en France et on, a créé euh, un spectacle qui s'appelait La Diva et les Dalton. La, Diva, c'est pas moi qui me l'a, eh, qui m'ai donné ce nom, c'est eux. C'est eux qui m'ont appelé comme ça, donc je le garde mhm. en, en, souvenir des métaphores. On a travaillé un an ensemble. Bah. Bon après voilà, le hasard a voulu, on a fait une tournée ici, on a fait une tournée au Burkina. Le hasard a voulu euh, qui veulent y reprendre leur carrière en solo. Après, après Métaphore, j'ai travaillé avec euh, un artiste qui est au Burkina mais qui est camerounais, qui mhm. s'appelle Kalir Slam. Là, on est parti dans un autre domaine. Et après, j'ai travaillé avec euh, un artiste qui fait du traditionnel qui s'appelle Regma Zoma. J'ai travaillé avec Jenkin Lompo aussi au Niger. Mhm. Je, je, coach aussi beaucoup de gens dans l'ombre. En, fait, je suis assez une femme de l'ombre aujourd'hui. Euh, j'ai travaillé avec Massa depuis trois ans. Ah Et Massa, c'est certainement ma plus belle collaboration. Qui tourne déjà en Europe, Massa, qui fait quand même euh, les grands festivals de ah, l'autre côté voilà, euh, euh, de l'homme blanc, comme on aime le dire. Est-ce qu'aujourd'hui tu as un message à l'endroit de la jeunesse africaine concernant l'artiste Avant de terminer là-dessus, moi je voudrais juste dire quelques mots sur le studio Kalangou que je suis depuis des années, depuis presque sa création, grâce auquel j'ai découvert énormément d'artistes nigériens et j'ai découvert une richesse extraordinaire au Niger, des artistes que j'ignorais même. Donc c'est vrai que je suis un peu là pour travailler avec eux, pour apporter mon aide, pour euh, essayer de donner quelques conseils. Le coach vocal n'est pas là pour changer la personne, il est là pour apporter un plus, pour aider l'artiste à s'exprimer. Il faut absolument aujourd'hui que les artistes aussi se perfectionnent, qui s'ouvre aussi sur le monde, qu'on travaille main dans la main, que les musiciens s'entendent, qu'ils arrêtent de se, de se manger les uns les autres. Point. Merci Sylvette Leblanc, ainsi par l'artiste, la productrice, machine, tranquille. De retour à la FADA, euh, je veux continuer euh, avec toi qui est à ma droite, euh, Rahila, bien sûr. Euh, dites-nous, est-ce qu'il y a des risques que vous rencontrez dans ces métiers, euh, du, surtout euh, en voulant apporter de l'aide à un bar mouéboué Gaxine, à un zone d'insécurité, à un sinon, ni go tchétchik bofoga, ni mo de Tout d'abord, il y a risque risques qui risque, risque aussi sigan. Mais quand même, le risque sont minimisé. Parce que, vous avez déjà zone il faut que irin kwai dir kwai ma zai imine tawa il faut que irin kwai tawa meri ga tawo mero ha hal ne wo zono wora irgi ga activité réalisée ha irsine ha risque c'est élevé mais quand même les risques sont minimisés parce que déjà hal ir kwai ga activité réalisée irin kwai dir kwai ma zai imine tawara tawo meri no irin kwai irin di mero irin ne yakin no irin ba irmu est-ce que zone irginiga irginiga intervenir Si y a aucun problème déjà nous avons l'accord des autorités ya dinga ir ko irma irma dimat kano irga tega activité réalisé dir koy bumbo kaw yara bumbo en tant que tel kada dir koy di chef du village wala kada dir ye a gidi arrondissement communal au Kangono ir ne irka ir tel projet no tel structure nous sommes venus pour telle activité nous sommes là pour une durée de tel jour. Donc, comme on a l'appui des autorités, vraiment, je dirais que le risque est minimisé. Et aussi, s'il y a des risques, eux, ils peuvent nous, nous dire de faire vraiment attention ou bien de mettre les dispositions nécessaires à, euh, pour que nous puissions réaliser les activités. Voilà. Est-ce qu'il y a des risques que vous rencontrez dans ce métier, surtout dans les zones d'insécurité Oui, il y, a, il y a des risques. Dans les zones d'insécurité, c'est comme pour tout le monde on y à des risques euh, justement d'insécurité. On peut être euh, enlevé ou tomber sur quelque chose, une embuscade, tout ce qui va avec. En tout cas, notre sécurité n'est pas garantie dans nos interventions dans ces zones-là. C'est vrai, je peux dire que le risque euh, est souvent réduit puisque nous sommes en contact avec les autorités administratives et coutumières et tout, nous organisons tout ça ensemble. Mais du point de vue général, nous courons également le risque d'être mal comprises le risque d'être jugé par la société dans le contexte dans lequel nous sommes. C'est un risque éminent que nous faisons avec. En plus d'être un risque, c'est aussi, euh, je dirais, ça fait, ça fait partie des obstacles pour notre engagement que nous apprenons à surmonter, les préjugés sociaux par rapport à tout ce que nous faisons en tant que femmes, en tant que jeunes filles. C'est pas facile. Chers auditeurs de la FADA, je vous rappelle que nous sommes à la place Monte, ici juste à côté du commissariat central de Niamey, où nous avons posé nos affaires aujourd'hui le débat se poursuit avec euh, euh Rahilatou du CNJFL. Nous avons Rekia Boubé de Arda Yeso, Indo du CCNEJ et aussi euh, Kadiatou Idani de AJFSR. Et sur le thème euh, l'apport des structures féminines dans l'accompagnement des femmes en détresse, les difficultés plutôt, que ces associations rencontrent dans la réalisation de leurs euh, différents euh, projets. On continue avec euh, notre question. Je vais commencer avec toi, Rekia. Est-ce que vous êtes sur des projets associatifs actuellement, surtout au profit des femmes euh, Oui, nous sommes sur des, des projets associatifs. Je vais revenir sur ce dont j'ai, le sujet que j'ai un peu effleuré tout à l'heure, qui est de sortir de la mendicité des groupes de jeunes filles qui sont ici à Niamey. Donc ça, on va dire que c'est un projet pour les jeunes filles, parce que c'est elles que ça concerne directement, mais c'est aussi pour leur famille, parce que si aujourd'hui elles gagnent, leur famille gagne. Aujourd'hui, si moi j'ai de l'argent, je vais en donner exactement, la société gagne. ma maman va avoir de l'argent, mon papa va avoir de l'argent par mon billet. Donc c'est vraiment notre groupe cible pour le moment se trouve euh, à Kwaretegui avec ces jeunes filles-là où on est en train d'organiser des activités génératrices de revenus pour elles, où elles, apprennent les travaux en tout cas euh, manuels, où elles, c'est vraiment leurs mains qu'elles ont, elles vont utiliser, c'est leur dur labeur. Comme ça, en fait, elles vont comprendre que ce n'est pas facile. Quand tu as de l'argent facile, tu as tendance à dépenser comme du n'importe quoi. Mais lorsque tu travailles dur pour avoir cet argent, tu comprends en fait ce que c'est que tu comprends son importance exactement mm. voilà ding tabig du noro ni ga respecte bis ikaga no ni sedai no ni ko orchestre do hige do ni mano bora kan go karse <laughs> nim noro sey nim sobai ni man tabig du noro no <laughs> din tabig du wani koy ga sey no de donc vraiment <laughs> what the situation yango ne ka on essaie d'attirer l'attention des jeunes filles irma activité wadin chinate irmi indu gi ga ksine nge mo minga won famille e ga ksine voilà on kun kai go sanana sen bo irin kanyot fo lanse ingo mo orphelinat fo sen no irpa vraiment zankai ga sine inge alborno zanka alboriano inge 189 orfelinara inge mo wani problem de gisa haikan igunwa donc vraiment ingo kanyoto to kirlanse irim du isa haikan igunwa no c'est le besoin le plus nécessaire en fait de première urgence si on veut c'est la nourriture pour eux nanka iru wargane hawe esi nirga babur fo haikagun wana woceci donc vraiment, les réalités ne sont pas les mêmes. Il y a d'activités, il y a On peut revenir dessus, discuter, Inch'Allah, une prochaine fois, parce que c'est ah, pas Que dis-tu, Dani, sur le point de vue financier, gagnez-vous de l'argent à travers votre association, car on dit que c'est aussi euh, une source de revenus pour vous. Maintenant, Norogo Kawolmo, Norosika. À la question que je dirais déjà, euh, en parlant d'association, c'est un engagement volontaire et bénévole. Ici, l'argent que nous arrivons à mobiliser, c'est pour réaliser des projets. C'est pour des cibles, pour nos activités. Nous travaillons avec des partenaires. Nous réussissons à mobiliser des fonds quand l'idée d'activité est pertinente, quand nous arrivons à convaincre. Il y a beaucoup de partenaires aujourd'hui, machallah, qui sont disponibles pour accompagner les associations des jeunes, qui sont disponibles pour accompagner les jeunes à pouvoir euh, servir leur communauté, à pouvoir défendre les valeurs humaines, à pouvoir défendre les droits, à pouvoir euh, œuvrer pour l'épanouissement de la femme et des jeunes filles. Donc, c'est dans ce sens-là, maintenant Parce que, engagement irmu dugu goy bor gerai se manta irmu dugu du noro ara zam ir kulne o ir gonda goy kan ir gote wani manta association o hinno eh, association o engagement no c'est notre temps libre nous mettons en valeur au fait pour servir la communauté pour aider mais parallèlement nous avons nos sources de revenus ir gonda goyen kan ir bumbo ir gote kan kandir se noru pourquoi irmu dugir murada ite donc c'est vrai nous mobilisons les fonds mais pour travailler pour mettre en œuvre des projets pas pour nous-mêmes

Euh, wanda pour que purke situation ngoma améliorer de jour en jour ya dinga kulkan irgo du activité radaino irgo gida C'est vrai, l'association la, Hankansi Agaibegen dit que tu as la chance d'apprendre. Expérience, non, Agino. san kyo nima nimu du gwai kan igin bana niga bai kan tuya do experience ya dinga on kundin du experience subu ni gini koi gwai ke kan igihin gin bana ase ya dinga bora kun no go koi digina en fait personnellement ni mais quand même ni expérience ya c'est ça l'apport en fait Comment voyez-vous la vie de ces femmes-là que vous assistez, surtout euh, à travers des formations et tout ça là Pour le moment, je ne veux pas trop me prononcer, mais de par ce que j'entends, venant d'elles ou de leur famille, leur vie sont en train de changer. Parce que avant qu'on ne vienne faire le projet avec ces jeunes filles-là, elles étaient dans la mendicité, elles ont quitté l'école, elles n'avaient rien à faire. Aujourd'hui, quand on discute avec elles, il y a certaines parmi elles qui repensent même à retourner à l'école parce qu'elles nous voient et elles nous disent aujourd'hui, si vous êtes venus nous aider, c'est parce que vous avez étudié. Vous avez un certain bagage intellectuel qui vous a permis de venir nous aider. Donc nous-mêmes, au-delà de ce qu'on est en train de faire comme activité, si nous retournons à l'école, on apprendra, on aura un diplôme, on pourra avoir un travail. Et nous aussi, on aura ce bagage et on viendra aider nos plus petites sœurs et mm, petites Alhamdulillah, parce que vraiment, avec ces jeunes filles-là, que vraiment, elles ont même envie à l'école. Ils m'ont français, parce qu'on est tout le temps dans un élan où on se taquine, on essaie de le mettre

zamun kuna eh, zarmai no ne borkan gindon da hamisu diya a ba da borkan gindon no hamisa zama borakan gindon nan ni ba da sino ni koy ga hamisa ni bonse yan ga wudin goyo ni rgote irin moy borai bon ai feri irin iz wonde zai bon ai feri in baiki gonda ala kuyen im sinan bor kulmi ala kai tamu ihim ga tunga kai ngai bonga im goy im te hankan igba il faut qu'elles se battent, qu'elles travaillent pour leur propre épanouissement. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut assurer euh, le bonheur de quelqu'un d'autre. Hein. Chacun est maître de son destin et de son propre euh, bonheur. Donc le fait qu'on arrive à sensibiliser ces femmes-là, à les former sur le leadership féminin, machallah, il y a beaucoup qui portent, qui s'éveillent, qui arrivent à défendre leurs droits, à les protéger, à entreprendre, à faire des activités génératrices de revenus justement pour être indépendante, pour s'épanouir. Et c'est quelque chose qui est palpable. Aujourd'hui, il y a beaucoup de victimes, par exemple, de VBG que nous accompagnons, que nous avons orientées qui ont su euh, se relever après ça. Parce qu'il y a toujours des conséquences psychologiques, il y a toujours quelque chose. Mais avec l'accompagnement, qui ont su se relever justice a été rendue, qui continue de vivre et qui aujourd'hui, sont des garde-fous, ne vont jamais laisser une autre femme être victime de ce qu'elles ont vécu et ne vont jamais encore accepter à ce qu'on puisse les violenter, à ce que quelqu'un encore puisse encore euh, leur faire la même chose parce que cette fois-ci, elles sont averties, elles vont se protéger elles-mêmes. Donc c'est vraiment des changements que nous, des changements positifs que nous remarquons dans la vue avec euh, l'ensemble des femmes et des filles avec lesquelles nous travaillons. Et c'est encourageant, c'est super. on n'est que des femmes et tout. Euh, j'ai choisi euh, donc euh, une chanson qui va dans ce sens. C'est une chanson que vous connaissez, Aaron Gabey. Ici, Webordangi, Niger. Et là, on n'est que des femmes battantes, je vais dire, qui sont là pour aider des femmes et des enfants, surtout les jeunes, dans la vie associative. Donc, on écoute le son et on revient juste après. vos commentaires au numéro 80 06 88 54 pour réagir dans cette émission ou nous donner votre avis. Ma toute dernière question, euh, je vais te la poser, Rekia. Quelles sont vos attentes par rapport à votre structure Nos attentes. Au jour d'aujourd'hui, nous avons besoin de beaucoup de jeunes qui sont bénévoles qui vont nous assister. Parce que tout à l'heure, il y a ma collègue ici, Rahila, qui parlait de différents profils dans les associations et les structures. Aujourd'hui, nous avons des comptables, nous avons des étudiants en médecine, nous avons des étudiants en pharmacie, nous avons des juristes, nous avons des informaticiens. On a beaucoup de profils, mais je sais qu'il y a encore des profils que nous n'avons pas. Parce qu'il y a des sujets qu'on veut toucher, mais on ne s'y connaît pas. Est-ce que cela va vous aider à encore plus aider les femmes et Exactement, ça va nous aider, ça va nous aider. Parce qu'aujourd'hui, si on prend juste le cas du numérique, si on a quelqu'un qui est du domaine, qui vient nous apprendre et nous oriente, nous saurons comment toucher ces femmes-là et leur dire, voilà en fait ce que vous pouvez faire pour vous sortir de telle situation grâce au numérique. Donc vraiment, on a besoin de plus de profils euh, qui, vont vraiment être là de manière bénévole. Hein, je tiens à insister dessus parce que vraiment c'est de manière bénévole et volontaire. Donc qui pourront nous rejoindre pour qu'on puisse changer et impacter encore plus de personnes et plus de jeunes femmes qui sont dans le besoin dans cette communauté. Aïssa qui a place maintenant à la chronique du jour avec euh, Olivier. Amis auditeurs et auditrices, nous allons continuer ce que nous avons commencé hier. Nous allons commencer avec la suite des leçons que nous pouvons tirer de l'édition Miss World 2021. Les top 10 leçons de Miss World 2021 de Nena La Suite, c'est le sujet de la chronique de ce soir. Sixième leçon, pour être Miss, la beauté seule ne suffit pas. À vrai dire, elle ne dure pas. À la beauté, il faut ajouter un talent. À la beauté et le talent, il faut joindre enfin un but. Le jury regarde, le monde aussi vous regarde. Septième leçon, quand un enfant a le soutien de ses parents, il peut charger le monde entier sur ses épaules. Il en est de même pour un citoyen et sa nation. Quand un enfant est par exemple délinquant, demandons d'abord où se trouvent ses parents parce que leur responsabilité n'est pas tout à fait négligeable. Quand on a une jeunesse à plaindre, on devra se demander que fassent les aînés et les leaders. Huitième leçon, le monde va respecter tes valeurs si et seulement si en as. Et si on ne te respecte pas, c'est peut-être parce que toi-même, tu n'as pas exigé ce respect de toi-même avant de l'exiger aux autres. Respect à Miss Somali, la seule qui est venue voiler Un grand respect à cette Miss qui a respecté sa religion. Comme quoi, on peut être Miss, voilée et musulmane. Neuvième leçon, il y a plusieurs couronnes lors d'un concours. Certaines sont visibles, connues et attribuées par les organisateurs les FAD ou les autorités. Certaines sont invisibles, déterminées par soi. À chacun sa vie, à chacun ses épreuves et enfin à chacun sa couronne. Dixième et dernière leçon, en ces moments de crise, nous allons terminer sur cette citation de Nena qui dit La guerre n'est jamais trop loin. Tôt ou tard, on finit par payer pour la guerre d'une manière ou d'une autre, pour faire allusion à la montée des prix qui nous touche ces derniers temps, surtout le prix du blé. Pour rappel, la Miss Monde 2021 est une Polonaise au nom de Karolina Bioleska. Amis auditeurs et auditrices, cette 70e édition de Miss Monde était une belle leçon et on retiendra que Miss Olivia Yassé était deuxième dauphine. D'ici là, portez-vous bien. Paix, lumière, amour sur vous. One love. Bye bye. Nous sommes à la fin de notre émission. Je vous rappelle que nous sommes à la place Montaigne, ici, juste en face du commissariat central de la ville de Niamey. Nous avons fait une très belle émission. Arahangan, Matkano, volontairement à travers leurs différentes structures. Merci euh, de rester câblé au studio Kelango pour plus d'informations. Merci à vous de nous avoir suivis à travers tout le Niger et à la prochaine. Je vous fais un gros bisou.